Le gouverneur de l'État du Nil bleu, Ahmed Al-Omda, qui a déjà imposé un couvre-feu nocturne et une interdiction des rassemblements pour un mois, a promis hier lundi de traiter avec une main de fer ceux qui incitent à la haine. À Kassala, dans l'Est, le gouvernorat a décrété une interdiction de rassemblement. Plusieurs milliers de Haoussa ont incendié une partie des locaux du gouvernement local, des administrations et des magasins. Ils ont bloqué les routes en brandissant des bâtons. À Wad Madani, au sud de Khartoum, des centaines de Haoussa ont monté des barricades de pierres et de pneus brûlés sur le principal pont et bloquent la circulation. La violence a éclaté il y a une semaine dans l'état du Nil bleu, frontalier avec l'Éthiopie, entre des agriculteurs Haoussa et une autre ethnie, les Bartis. Les Haoussa se disent lésés et réclament la formation d'une autorité locale qui superviserait l'accès aux terres et à l'eau. Les Bartis se disent propriétaires de la terre et refusent tout passage. Khartoum a envoyé des renforts depuis dimanche pour tenter de maintenir un calme précaire.